les avant ça Savon rejou bye c'est FAO. BHT Jabba. Sivoderm, Nova, Sivop. SunoShopping.com. Mangalis Hotel Group avec les marques Noom, Sim,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 Impact remercie ses partenaires. Duchesse Garden, Spa and Beauty, Syrah et Bandirabe, Sarama, Karima, Madomark, hmm. Sommes-nous si manches à leurs yeux Pourquoi le monde est contre nous, nous Blessé, blessé par vos paroles mer J'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux Brisons, brisons le mal qu'ils ont semé. Ta peine nourrit ma haine, amère l'amertume Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre Notre bonheur vous importe tous les jours manigance. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Salut Patrick, Nagamon. Ça va. Euh, dis-moi, étudiants et la Non, ils sont pas là. Ah, voilà, Je voulais savoir en fait, est-ce que Wadji Salam alaikum. salam. Ça va, Ça va Comment mon fils C'est moi. C'est vous C'est le service des en fait. Nous avons un contrôle pour nous là. Ok. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Tout à l'heure. Suivez-moi. bonjour docteur. bonjour maître. Bamba dafa ñëw def de graves révélations et je m'intéresse à son cas dama bëggoon xam lan moo ko dafa traumatisme. loolu dafa am conséquences. en fait 90% de traumatismes. traumatisme. ay cas légers, mais mën provoquer hémorragie cérébrale un handicap. un genre handicap. Monsieur le juge, il essaie de décrédibiliser mon témoin. Tout ce que je veux savoir, moi, ndax suis Bamba à 100%. Rejeté. Continuez, maître. Docteur Tontouma..! Après le traumatisme je suis am Madame. na ci des séquelles neuropsychologiques. agitation impulsivité je na sax répercuté wu ba communication Ce séquelles est kon mën na la mémoire monsieur le juge réagissez droit je reformule je veux savoir est-ce que a affecté mun affecter mémoire oui en effet. donc mun nañ xalaat Bamba wax mun bañ nek li nga dama nga wax ma est-ce que ku xelam neexul mun na discernement non man te ma dof silence silence je dis répondez docteur répondez répondez docteur répondez-moi oui ah. il y a de fortes chances que mon sache xam merci monsieur le juge est-ce que nous avons ou alors professionnel dit. taxaw à vous de juger merci Après concertation, la Cour va se retirer. On se donne rendez-vous dans cinq jours pour la suite du procès. Garde. Veuillez ramener l'accusé. La séance est levée. C'est pas évident quand même. Bravo, merci. merci. Merci. Ah, tu es content Vous êtes tous contents Je ne suis pas ta fille. Vous êtes tous des monstres. Issa Rayo. Mélanie, ne me déçois pas. C'est toi qui me déçois. Tu viens de m'arracher l'homme que j'aime. Tu viens de bousiller ma vie et tu es fière Aminata. Amoul Aminata, vous m'avez privé d'une famille unie. Aujourd'hui, papa, toi et ta maîtresse, vous m'empêchez de pouvoir fonder la mienne avec l'homme que j'aime. Je vous déteste. Je vous déteste tous. Aminata, de quoi tu parles Aminata. Je parle de Mélanie Gradel. La grande Mélanie Gradel qui m'arrache tout ce que j'ai de plus cher, juste pour une histoire de jambon en et eh, eh, eh, doucement. Si jamais tu touches à un seul cheveu de ma fille, tu vas le regretter. Paul, Paul, Paul, Paul, tu n'es pas au courant. Mon ex-mari ici présent couche avec ta femme. Et Quoi Maman C'est pas possible. Patrice, ici aujourd'hui Lâchez-moi Lâchez-moi Lâchez-moi ici Tu avec ma femme

Je sais toute la vérité. Hé, eh, regarde-moi. De quelle vérité tu parles À un moment donné de sa vie, ma mère a été infidèle à mon père. Et j'ai découvert que je suis le fruit de cette infidélité. Oui, l'homme que j'ai tant admiré, l'homme que j'ai tant aimé, n'est pas mon père. lo bu dem Dewe nan dau fu nyu jem Na kune chi nyun Am na lum do non chi yau Ya lo bu jel Du tagu dai je kirek jel Nan len ko nyana Mu am jam mu fu mana dem Donon na domu Donon ko sore chi nyom Jote wona ki aje Waaye doom je sax ci xol bi Ça a été une erreur. Oui. Une erreur monumentale. J'ai tout fait pour que tu puisses me pardonner, mais tu n'as jamais voulu le faire. Ça m'a fait mal. Et finalement, tu es allé loin, très loin, peut-être pour oublier. Et j'avais cette plaie dans mon cœur. je me disais bés bu ko Aminata yéegee naka laay def bu xamee ne lii moom a tàggaleeg yaayam ban bët laa koy xoolee dommage bés boobu agsi na tey mais dama bëgg ngeen xam àdduna li muy yaatu yaatu yaatu amul benn jigéen bu ma leen gën a leen ñaar Je vous aimerai toute ma vie, je n'ai que vous. ce sentiment, il sera là à vie. Donc, vous Je regrette sincèrement. Parce que vous ne méritez pas ça. Je vous aime. Je vous aime très fort. Vous ne pouvez le savoir, mais c'est vrai. je vous aimerai toute ma vie. Tu as intérêt à sortir de cette chambre, Jessica. Non, papa. Je ne partirai pas. Ça fait combien de temps que tu as arrêté et tu veux gâcher tout ça Jessica Papa, tu sais très bien comment est-ce qu'on a souffert de cette période en Côte d'Ivoire et surtout moi. Ce n'est vraiment pas le moment de tout gâcher. Tu sais très bien comment cette famille a déjà suffisamment souffert, papa. Toutes ces fois où on avait besoin de toi, tu n'étais pas là. Tu as fait tellement d'efforts pour ressortir. Pourquoi Pendant toutes ces années, je prenais ta mère et dame pour de simples collègues. Et là, je me rends compte que je suis le dernier des cons. Mais tu ne pouvais pas savoir, et nous aussi. Mais je sais pas, peut-être qu'elle va revenir et qu'on aura une explication. Quelle explication Tu y vois une explication, toi Papa, je sais pas, mais attendons moi qu'elle revienne, Mike, allé la chercher, s'il te plaît. Vivement qu'elle ne revienne pas. Parce que j'ai vraiment pas envie de parler avec elle. Papa, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas boire, c'est ça Vas-y ne te gêne pas moi, puisque tu sais ce que moi j'ai vécu pendant toutes ces années. Dans le quartier, j'étais le soula, Mon papa était le soula. Tu n'as pas le droit de me faire revivre J'imagine comment elle doit se sentir, la pauvre. Mélanie est très fière. Et ça m'étonnerait qu'elle sorte vite de cette honte. Bah, je pense qu'il n'y a pas de honte à aller voir ailleurs. T'es complètement malade, toi Bah non, je suis pas malade. Je suis différent, je pense différemment, c'est tout. Donc si je comprends bien, si jamais tu te maries et que ta femme te trompe, c'est tout à fait légitime. Elle en a le droit. Alors, primo, tu sais très bien que <laughs> le mariage n'existe pas dans mon calendrier de vie. Tu le sais très bien, Tierno. Hein et puis secondo, pour répondre à ta question, je ne suis pas en train de dire que ma femme a le droit de me tromper ou je sais pas quoi. Non. Je dis juste que ce serait compréhensible dans un monde où euh, la tentation est omniprésente, c'est tout. Eh bien, mon cher, laisse-moi te dire que la tentation, elle existe pour qu'on y résiste. Toi, moi, toi, tu résistes à la tentation. Je ne représente pas la majorité, euh, donc tu ne peux pas te baser sur moi pour étayer tes propos. Tu vois, c'est ça le problème. Chaque personne est prompte à dire non, je ne représente qu'un échantillon dans la masse et tout. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est la somme de tous ces échantillons-là qui fait l'ensemble, mon frère. Si je comprends bien, il n'y a pas d'homme fidèle alors. Ça n'existe pas. Comment je peux t'expliquer ça euh, Voilà, je vais reprendre les, les mots d'un acteur sénégalais de cinéma D'ailleurs, il était très critiqué pour cette prise de position euh, que je partage tout à fait. Hein. Euh, il s'appelle comment déjà Pod, voilà. Alors, il dit ceci. Aucun homme n'est fidèle à sa partenaire. Putain, c'est profond ça. C'est un génie ce gars. Hein. Bah, alors, à partir de là, comment tu veux qu'une femme le soit, elle Je sais pas. En fait, tu es comme lui. Non, non, non. <laughs> moi, j'enseigne pas les femmes à gauche, à droite, non. Par contre, ce que je pense, moi, c'est que tout être humain a le droit de satisfaire sa libido avec qui il veut. Bah, la preuve, toi, tu as bien droit à quatre femmes. D'après toi, c'est pourquoi Dis-moi. <laughs> Je ne continuerai pas cette discussion avec toi, Mike. Par contre, Mélanie reste introuvable et ça m'inquiète. Tous ses téléphones sont éteints. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on la retrouve. De plus, si on devait voir le ministre rien ce soir. Il est encore là, lui Ouais. Je pense que tu vas devoir la remplacer histoire de camoufler un peu. Euh, oh, pardon, c'est les, mensonges du genre. Mélanie Gradel a été retenue à la présidence de Ban Pays. Ça, c'est des trucs que toi, tu gères. J'ai autre chose à faire ce soir. Non. Tu n'aurais jamais dû faire ça, Aminata. Tu ne peux pas tey mënoo imaginer conséquences si mon nar je ne pouvais plus me contrôler Je ne peux wax sax faire. pourquoi pourquoi nga nëbbuma ko Aminata bi nga nekkee xale da nga takkoon sa papa da nga takkoon sa papa ba man mii ma ciy fiir gis nga boo mësaan jógee école dugg si biir kër gi sa papa ngay njëkk a xool ndax mi ngi fi soo fi gisul doo nangu lekk di joy ba mu ñëw nga màgg si loolu Aminata loolu moo indi tey nga fan sa papa fan bi ko fan estime bi nga ko jox bëgg suis nga ko bëgg nga hmm. tu sais quand j'ai découvert l'infidélité de ton père Ta femme ni buti je n'en dormais plus

Jusqu'à ce que j'ai piqué une crise d'angoisse Aminata..! Je me rappelle de ce jour-là. C'était à l'hôpital Fan. C'était à cause de papa. Je n'avais plus confiance en lui. Je devenais folle tellement je l'aimais. Et après cette nuit, j'ai décidé de me refaire une santé. J'ai décidé également de divorcer. Beaucoup de nous voir on sa pape, avec man, parce que bëgguñu won affecté la te man tamit bëgguma la won séparé avec sa papa Aminata. Mon nga fi dem à l'étranger pour trouver le bonheur est-ce que tu as trouvé ce bonheur. mais mon bonheur c'est toi Aminata c'est toi mon bonheur.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 dund Moussa. Aminata continuera de se battre pour toi. Lolo Mouno ci Moussa Aminata ne connaît pas le fond de ce dossier Ramne ne complot mais xamul l'école lal elle pense que je vais sortir d'ici alors que c'est faux. dans quelques jours juge lui pour annoncer prononcer sentence pour yow lan je serai condamné 20, 25, 30 à perpète je ne sais pas mais je sais que je serai condamné pour le meurtre de Franck Radel. mais mënuñu la fàtte fii nii ngay dee ci c'est hors de question est-ce que yaa ngi xalaat li ngay wax vous y serez contraint jël naa sama décision te dootuma nangu kenn seet si je comprends ce que dund xam naa ni metti na fi mu la mais tu dois te ressaisir Issa xanaa gëmutoo yàlla. gëm yàlla Comme tax ma doxalee je ne supporte plus de vous voir souffrir. mais li ngay def nii moo souffrir loo. Qu'est-ce que tu vas faire de Aminata Elle est jeune. Elle est belle. Intelligente. Une brillante carrière qui l'attend. Moussa, je serai égoïste sous-mane Aminata Moutok toutes ces années. Je pense que elle doit rencontrer un homme beaucoup ko mën jox li ko et metti na si xol mais je pense que c'est la seule solution. may di ça je suis ton frère. C'est bien parce que de vous Moi, dans ma sant je suis j'ai confiance en toi peut-être la le le c'est si mais si jamais Issa des prison pendant 15 ans Donc, Aminata

Alors c'est finalement arrivé. En effet. Mais comment, dame Comment Aminata Il que J'aurais dû m'en douter.

Je m'a assumé c'est mon faute, mannequin. C'est une faute, Mélanie. C'est une faute. Nous avons défendu nos bêtises ensemble. Je ne vais pas laisser si vite. C'est bien que nous témoignions de cette solidarité, dame. Mais mon ambi tu es bien la dernière personne que Paul veut tu dois faire attention à toi dame il est capable du pire dans ces circonstances Mélanie je m'inquiète pour toi je ne crains rien dame so ba Paul c'est en partie pour te protéger pour te protéger toi dame Mélanie, ne t'inquiète pas. non. je suis là. Merci, dame. Prends soin de toi. Bonsoir. Bonsoir. Moussa Ah, boss. Ça va Très bien. Patrick, mhm. solon na un frigo pour cuisine mais au fait aw fan la fait defee commande électroménager pour service bi. Euh, jaba ah mais tant tant mieux mais vas-y fais la commande pour demain matin. d'accord. n'oublie pas hein. Moussa. j'espère que tu viens le coup. ah non t'inquiète la barre. D'accord Ça fort. Merci. Et bonne soirée. Merci beaucoup. On n'a pas trouvé le temps, mais étudiants identifiés trois personnes qui ont manifestation Fais voir. pratiquement kenn ci ñoom ñii la Mike yónni pour mu saboter manifestation bi étudiants yi ñoom ñëpp kenn mënul fexe ba xàmmee kenn ci ñii. xamuñ ci kenn. <sighs> Retour à la case de départ putain mais ça me fait chier. <sighs> police moom xalaatuma sax ñu boole leen ci. mais peut-être qu'on est sur la mauvaise piste de. comment ça. depuis le début ñu ngi seet kii day Franck. oui. mais erreur bi ñuy def mooy ñu ngi côté civil mais à aucun moment xooluñu ci policier da nga bëgg a wax d'après toi policier moo c'est possible tu m'avais dit que merci Soho, elle avait dit que Issa moo devant tout le monde. oui mais Aminata a démontré devant tout le monde que la vision de la femme est floue à cause de sa myopie. Myopie mais pas aveugle li tax mu jaawale Issa si ça se trouve policier le gis mais elle n'arrivait pas à discerner ban policier le gis exactement pas faux avec la vision floue c'est clair que l'avons pas identifier kanamu policier tu as peut-être raison hein. non non attends parce que Bamba tamit Bamba il avait dit que étudiant à l'église oui mais si maître Menga avait raison et que le docteur aussi l'a dit c'est-à-dire que ce qu'il il n'a pas retrouvé en fait 100 de sa mémoire. pour moi, piste bi nga piste bu baax un policier a tiré sur Franck et pour le couvrir il a mis Issa pour meurtre vais faire le fin par rapport à le commissaire bi commissaire fait Issa mais oui <laughs> si c'est réellement ça commissaire quand kan la protéger bay Issa et je vais aller le voir d'ailleurs Merci beaucoup. J'avoue que je ne sais même pas quoi dire en ces circonstances-là. Alors ne dis rien. Eh bien, Jessica m'a raconté pour la bouteille c'est vrai que tu as. Oui. Franchement, je ne savais pas que ça t'affecterait à ce point. Écoute, c'est vrai que toi et moi, c'est. C'est pas trop ça, mais. T'es mon père et ça, c'est un fait. Alors. Si t'as besoin de parler à quelqu'un, d'homme à homme, si t'as besoin d'une oreille, enfin, je sais pas. Je suis là. Je ne pense pas que tu t'y connaisses en amour, Mike. Maman, mais t'étais passé où on t'a cherché partout. On s'inquiétait pour toi.

Et d'ailleurs, on a des raisons de croire que Mike m'a fait. Il faut que nous Mike. Mike, m'a dit que Mais avant tout, il y a une information que vous Une information Si détachement, il faut que nous sachions qu'il y a un commissaire de telle sorte que si vous avez une erreur, le commissaire va couvrir. Quoi. commissaire Bamba réfléchis s'il te plaît loolu bu am Fallou lay don. sama cousin commissaire bi tantam sais que je te dois des explications. Et je suis prête à tout expliquer. Je sais ce que tu ressens. Et vraiment, je suis désolée pour tout le mal. Quand, Mélanie Quand Il y a de cela plus d'une vingtaine d'années, Paul. Et je t'assure que j'avais l'intention de t'en parler. Menteuse Si cette fille n'avait rien dit au tribunal, je ne saurais rien jusqu'à maintenant y a 22 ans, Paul. 22 ans, tu n'étais pas en état de m'écouter. 22 ans que tu n'étais pas... Sobre Vas-y, dis-le, je n'étais pas sobre. Paul, je n'ai pas dit ça et tu le sais bien. J'ai promis de ne plus parler de ton passé. J'ai bien l'intention de savoir comment tu fais pour justifier le fait de coucher avec ton avocat, me trahir, me mentir et me faire passer pour le dernier des imbéciles. Paul, je ne le justifie pas. Rien ne justifie l'infidélité. Et je, suis prête à assumer cet acte contre nature. Je ne te demande pas de me comprendre, Paul, mais de me pardonner. C'est justement ça le problème avec toi, Mélanie. Comment tu veux que je te pardonne tu as bâti 22 ans de notre vie sur un tas de mensonges. Ça, tu n'avais pas le droit. Et si je t'avais dit la vérité, Paul Ça aurait changé quelque chose bien ce que je pensais. Tu es dans ton droit le plus absolu, Paul. Mais tu ne peux pas remettre en question toutes ces années que nous avons vécues ensemble. Tu ne peux pas remettre en question l'amour que j'ai pour toi. L'amour pour moi passe après le respect. Ton acte était irrespectueux. Et ne pas me le dire pendant tout ce temps était encore plus. Je suis désolée, Paul. Je suis profondément désolée. Mais on a tous trois une seconde chance, Paul. si j'étais à ta place, est-ce que tu m'aurais accordé cette seconde chance que tu demandes Pour dire vrai, je ne sais pas si j'aurais pu te pardonner, Paul. C'est pareil pour moi. Je ne pourrais plus avoir à te regarder sans avoir à penser à tout ça. Alors il est mieux qu'on en reste là. fini alors C'est tout J'ai fait une seule erreur dans ma vie, Paul. Et c'est l'impact qu'elle aura. Nos choix impacteront nos vies. La société que nous composons, nous humains, ni les doxee am Nous ñuy tànn Nous am ñuy comme nous mu qui ñuy les léeg sax def choix société bi defal la mais bu boba lenn rek ngay mën def moy assumer ko te xamné dafa bok ci sa dund. nga am naqar fekk choix wu nit mo la kay te do ci mën dara circonstance yoyu. il faut que nga am ku def choix ou soutenir la ku def choix ou bàyyi lépp ngir jappalé la nga surmonter lolu ñooñu kenn du am sen fay choix bi ma jël tey dina metti ñu bëri mais Dina ko assumer mais je suis sûr que mooy li gën pour toutes ces personnes qui tiennent à moi et surtout pour Aminata. Je suis sûr que vous ne comprendrez pas. Après tout, bëgguma sax ngeen comprendre ma lenn rek laa bëgg ngeen respecté sama choix tant que yéen a ngi may gis du ngeen jóg si di xeex pour ma génn fii alors que mënatuma fi génn je prends conscience que je purgerai ma peine et maa ngi si sant yàlla bu baax nañu xool le bon côté des choses dina toog 15 ans de ma vie à écrire un livre comme ni nga ko bëggee Aminata et ça commence tout de suite livre bi am na tur ba pare te mu ngi tudd impact à nos anu rêves brisés sa ni aduna yàggul looy def nanga ko xool ni ngay